Il a ajouté, celui qui trahit entre vous prendra une balle. Le monsieur a été clair. Il dit, c'est vous qui savez si vous allez manger. Il a été le premier à manger. Il dit, Toumba, j'ai mangé. On a tous mangé. Il y a ce pacte entre nous. Ousmane Sonko yaakaaru ndaw yi Ousmane Sonko yaakaaru Sénégal kon gars yi Ousmane Sonko yaakaaru Afrika Ousmane Sonko ci kaw sa kanam ci lu baax jaajëf Ousmane Sonko président. kon gars yi Amadou Baro Sénégal la mooy wone cofeelam ak ànd ak muy président Ousmane Sonko kon gaay yi ndaw bu conscient bu xam li nga bëgg wala bu bëgg lu baax kon gaay Ousmane Sonko ku ñu wara jappalé la mu jël réew mi Afrique sigi Même le commandant de son salon là était là-bas. On a giré et le monsieur a ajouté, je n'oublie pas, faut pas qu'il oublie parce qu'il a laissé l'hymen c'est comme aujourd'hui on, venait de le faire. Il a ajouté, celui qui trahit par entre vous prendra une balle. Le monsieur a été clair. Il dit, c'est vous qui savez si vous allez manger. Le président a été le premier à manger. Il dit, Toumba, j'ai mangé. On a tous mangé. Il y a ce pacte entre nous. Après ces jours maintenant, nous étions dans un motel donc je faisais tout de suite, à Kipé, à zéro heure. À zéro heure, cest quelqu'un, il ne se repose pas. Il travaille à tout moment. S'il veut se reposer, il faut que son chauffeur le fasse marcher. Il ne mange pas. Tout, toujours calcule, pouvoir là. Donc on était là-bas, il était fatigué, il dormait sous une paillote à côté de moi. Il se reposait. Il y a Begré, dont on parle là, qui a beaucoup travaillé dans l'arrivée du pouvoir là. Bien qu'il n'a pas de niveau, mais à cause de son effort, il a bénéficié. Vous allez connaître toutes les individualités dedans pour vous permettre d'apprécier vraiment, hein, afin que le ministère public puisse savoir qui doit aller à la maison, qui doit rester. Pour pas qu'on s'emporte tous comme ça là. Ce que tu n'as pas fait comme ça, parce que c'est... Maintenant, ils se rendent compte de la, chose, maintenant ils veulent, veulent, non, ça ne peut pas marcher. Begré est venu me souffler à l'oreille. Begré relevait du camp Kamaen à l'époque. Mais c'est lui qui mobilisait les hommes là-bas. Parce que voilà, sa voix passait là-bas. Pour mettre main sur le camp Kamaen, c'est Begré qui, qui jouait ce rôle. Ils étaient deux. Et, mais toujours nous sommes ensemble à réunion avec Dadis. Donc ce jour, à, à Zoror, Begré est venu me souffler à l'oreille. Il dit, on l'a informé que le président Comte est mort, paix à son âme. Dès qu'il m'a dit, j'ai réveillé Dadis comme ça. J'ai dit, lève-toi. J'ai réveillé, j'ai dit, ah, on m'a informé que le président est mort. J'ai dit, ça a confirmé il a appelé, j'ai fus le premier à l'informer. Parce que nous étions ensemble. Il a appelé. Ses relations, ils ont confirmé. Tout de suite, l'énergie lui est revenue. Comme s'il ne dormait pas, il me dit Toumba, allons en ville. J'ai dit non, on ne va pas en ville, sinon on risque de se faire prendre. J'ai dit donne, passe, donne-moi l'argent. Il m'a donné l'argent. J'ai dit bon, prends ton véhicule, on a l'habitude de laisser les hommes chez lui, à domicile. Tu vas leur prendre rendez-vous au camp Al-Faya Il dit, tu as raison. Il est parti, on s'est quitté. Je suis resté, j'ai donné consigne, j'ai partagé l'argent aux autres. Nous étions au nombre de 16 personnes. qui a réussi. J'ai donné consigne, rentrez, vous préparez rendez-vous au camp Al-Faya Marcel était avec moi et un autre. J'ai dit, vous, nous bougeons ensemble. Marcel et moi, on est venus chez moi, à domicile. J'ai dit, bon, toi, tu habites au camp. Tu rentres d'abord au camp, tu te habilles, tu te prépares, tu observes, tu viens me chercher encore. L'autre a oublié son arme, j'ai dit, tu vas chercher ton arme, tu viens me trouver à la maison. Et ce qu'il fit faire, Marcel est venu, l'autre est venu. Pendant ce temps, Dadis s'est arrivé avec sa troupe au camp. À ce niveau, je vais préciser. Le général Sekouba Konate. Tout le monde sait qu'il était le commandant euh, des du bataillon des troupes aéroportées, c'est-à-dire on appelle Bata. Il était très armé, très fort. Dans la capitale, il n'y avait pas un autre. Bien qu'étant d'accord avec Dadis, mais bien que Dadis soit, c'est-à-dire détaché comme service d'appui peut-être, ou autre chose, je peux appeler comme ça, mais il relevait toujours du commandement du général Sekouba Konaté. Bien que vers la fin du, du règne euh, euh, du fait général Konaté, Dadis fut nommé par décret comme directeur général des hydrocarbures des forces armées guinéennes. Mais c'est un béret rouge. Donc, de facto, il relève du général Sekouba Konaté. Donc, c'est des rivaux. Et le général Konaté avait la force encore ces hommes aussi étaient pour lui pour qu'il prenne le pouvoir. Donc Dadi est arrivé au camp. Le général Koyate est basé là-bas. On m'appelait partout. Et moi aussi, je suis arrivé. Pendant ce temps, le général Toto a pris le camp. Il a pris le bataillon char. Il a pris l'altérie il a pris le bataillon. Parce que le commandant de camp... à l'époque, était Fotedi. Il était avant le commandant de l'Altérie. Le commandant aussi du euh, adjoint du camp était le colonel euh, David. Et il a pu avoir tout ça, il a pris le pouvoir. Dieu dit devant tous les officiers, tout le monde, vous allez voir d'où est parti, c'est-à-dire eh, les griefs de certains contre Tumba. Tumba n'est pas aussi comme ça, Tumba est réfléchi. Quand je suis venu, ils étaient au bataillon, tous les officiers. Tous les officiers ils étaient au bataillon dans la salle de réunion. Le pouvoir est pris par général Toto. Le voici. Dadis est assis qu'on est assis. Tous les officiers sont assis. Mon frère, le colonel Cheburo assurait le secrétariat. Toto préside, il parle, lui il note. Tous les autres sont assis. C'était fini. Mais moi, j'ai promis Dadis. Je l'ai promis, c'est-à-dire, et puis on a pacté, c'est-à-dire, il m'a vraiment rassuré. Voilà, et puis je l'aime. Ça, c'est clair. Mais lorsque je gire sur le Coran, je ne reviendrai plus en arrière. Parce que Dieu dit, Ya amanu, lima ma Kabura magtan, inna ma la Il dit, vous les croyants, ne dites pas ce que vous n'allez pas faire. Si vous le faites, il dit c'est un grand péché. Ce n'est pas un petit péché, c'est un grand péché. Là où moi je suis arrêté, je sais que y a ce que je dis, ce qui sort ici, il y a les anges qui notent. Il dit Il dit chaque âme que j'ai créée, il y a l'ange gardien qui note. Je ne parle pas pour parler. Je ne veux pas que les gens divisent. Nous divisent, ce n'est pas bon. Je suis sincère. Le colonel Tebro qui assurait le secrétariat pour le général Toto, lui, il a en caisse. Je suis venu, j'ai dégagé le garde-corps qui est dehors. Et ils sont enfermés dedans. J'ai brisé la porte, je suis rentré. Il y a eu silence. Et le général Toto a balayé du revers de la main, comme ça. Ils sont ici non sincères. Ils auront confiance. Comme ça. Il dit, mais ça c'est ça, c'est de l'indiscipline. J'ai dit quoi Qui J'ai dit là où tu arrêtes, assis, tu ne bouges pas. Tu es arrêté. Aussi, si ce n'est pas vrai ce que je dis, il y avait un civil là-bas, un seul civil était là-bas, il s'appelle Demba Dafé. Il était du, je l'ai vu dans, dans la mouvance RPG, il était député, terre noir, grand, il était là-bas. Assis dans la, j'ai dit de se lever, jeune homme, j'ai remis l'arme, j'ai dit flanque-toi. Il s'est assis. Je suis parti contre Tegoro. J'ai ramassé les papiers en bas de lui, ce qu'il notait. Et tous, ils ont fui. Ils ont laissé la salle. mon, mon patron, lui, c'est maintenant, il s'est approché. Voilà. Toumba. maintenant, quand je le quitte, les gens, les Bunduka, qui est préfet de Fara, ils viennent, ils prennent disque, ils vont le effrayer là-bas. Quand je viens ici, jusqu'à. On a imposé là-bas. On est sorti là-bas. Déjà, ils sont faibles. Ils ont compris que c'est gâté. On s'est on rendu d'abord à Bata maintenant. À Bata. À Bata, moi j'ai assuré la sécurité totale pour montrer que Dadis est présent. Au bataillon, même Grand Pivi n'était pas dedans là-bas. Pivi même, je le voyais, lui aussi cherchait pour que si on pouvait le supporter, si on ne s'entend pas là-bas, lui aussi prend. Je, ouais. Il était en bas. <laughs> Silence. Continuez, s'il vous plaît. Merci, merci, merci, honorable. On est... Silence, s'il vous plaît. On est arrivé à Bata. Maintenant, quand Daddy s'assoit, moi je suis arrêté derrière. Je suis arrêté derrière comme ça. Maintenant, les Toto, ils n'ont pas obéi d'abord. Tchegboro, lui, vient, je ne sais pas par comment encore, je le vois passer pour venir parler dans l'oreille de Dadis. Là aussi, je le ramasse là-bas, je le prends, je le peux passer devant, je, dis, depuis quand tu peux te comporter comme ça envers un président Passe ici. Donc, Tchegboro ne me connaît pas, donc il y a ces, voilà, ces griefs, ces, voilà, il y a ça entre nous. Après, Granco est là. Parce qu'il fallait démembrer totalement Toto pour montrer que Darius est présent. Il était question d'arrêter le commandant du, bataillon des chars. Granco est parti, il n'a pas pu. La nuit. Il est là, c'est mon grand, il connaît. Il est parti, il n'a pas pu rentrer. Il est revenu dire que non, je suis parti, j'ai pris le commandant, je l'ai envoyé à notre position. Le commandant du camp Alphaya, faut te dire, je suis parti le prendre. Toto a compris, il faut, il faut rejoindre. Il est venu rejoindre. Après, je me suis assis maintenant, avant maintenant de, de, de, entre nous, moi, capitaine Daris Granco et général Konate, on s'est assis à quatre. On dit maintenant, qui doit prendre le pouvoir Le président Dadis dit Ouais, Toumba. il dit Toumba, ouais, qu'est-ce que tu dis J'ai dit Bon, ah, vous deux, toi, général, général Konaté et toi, vous êtes voilà, nos grands. Donc, mais je pense que tu m'avais fait savoir que euh, Konaté t'avait promis que au cas si c'était comme ça, il allait te céder. Granco a dit oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Donc on est devenu deux contre Konaté et le capitaine est devenu président. Voici comment le CND est devenu Ça, j'explique pour le peuple de Guinée, pour que les gens arrêtent d'extrapoler. Et... Ouais, c'est comme ça. Hein. Voilà, tout ça, autour de ça, qui comprennent que les gens ont mouillé le maillot pour arriver. Donc, Marcel, aussi, comme je l'ai fait comprendre, c'était un plié, c'est un de nos pliés qui a travaillé, qui a, voilà, qui a mobilisé les hommes. Donc, on est venu, dans la prise de pouvoir est finie. Je vais maintenant rentrer dans la, dans la structure du commandement à la présidence. Ça aussi, il n'y a pas d'ambiguïté. Le premier décret, mon grand, grand co, ministre chargé de la, de, la sécurité présidentielle, c'était un nouveau poste. Parce qu'on se posé la question, ça allait entraîner des conflits de compétences, mais néanmoins, seul Dadis, je ne suis pas dans son secret. Voilà, à partir du moment où on a, nous on a fait notre travail, maintenant il est couvert par euh, le maire suprême des, juges, Dieu, c'est lui qui l'investit maintenant, donc il ne faut pas le demander maintenant, il faut que tu on respecte. Donc nous, on est resté dans ça maintenant. Donc moi, je suis devenu l'aide de camp du président de la République. Maintenant, je vais vous expliquer un peu, parce que tout tous, ils passent ici, ils parlent résiment comme s'ils étaient devant les militaires. Il faut expliquer un peu euh, aux autorités civiles c'est que c'est qu'un régiment. Voilà. C'est-à-dire, prenons les compagnies, supposons les compagnies selon les nomenclatures. Si c'est française ou américaine, les Français vont aller à 150 hommes, une compagnie. Ou une compagnie renforcée, 200 hommes. Bon, prenons 200, mais 5 compagnies vont donner un bataillon. Maintenant, plusieurs bataillons vont fournir des régiments. Ça, c'est des milliers de personnes. C'est comme ça le régiment. Mais qu'est-ce qui a fait gonfler Parce qu'à la prise du pouvoir, d'autres ont fait venir le bataillon des commandos chinois qui était basé à Kindia et ils sont descendus. Dirigés par l'actuel inspecteur des forces armées, euh, colonel Abdoulaye Keta. Lui, il est descendu pour un renfort. Le bataillon des commandos euh, Rangers, basé à Soronconi, sont descendus aussi à Conakry. Tout ça pour renforcer, pour prendre le pouvoir. Donc, les deux bataillons se sont rencontrés à la présidence. Lorsque c'est moi qui ai relevé toutes les positions du fait général dans son comté, personne ne m'a dit. c'est moi qui ai relevé tous les camps. J'ai dit à toute la troupe, j'ai dit, rejoignez la présence, les anciens, allez-y à Bata. Donc, la présence est comme ça. Parce qu'on ne peut pas prendre le, pouvoir. L'ancien de garde de comté, eux aussi, ils sont en ville, ils sont en train de manœuvrer. Ils ont même arrêté leur commandant, le colonel Fodeba, qui est à Etidiane. Et déjà, ils les ont arrêtés par leurs propres hommes, les envoyés au PM3. C'est Toumba, qui est descendu la nuit ok. Je suis passé par la cornice pour venir au PM3, sortir ceci là, là-bas, envoyer au camp Alpha, pour affaiblir encore ceci là. C'est moi qui ai fait ça. Donc, il faut que les gens sachent, ceux qui parlent aujourd'hui, où ils étaient avant le pouvoir là. Donc moi, ils m'ont vu avec Dadis, il sait, ne sait pas que moi je ne mens pas. Et moi je ne suis pas quelqu'un qui cherche à se substituer de quelque chose. Non. Tout ce que je fais, je mets la conscience devant et puis la force derrière. J'ai cinquième dent. Oui. Et formé, je suis ranger. formé par les Américains. Mais je suis médecin encore. Donc, il ne faut pas que, voilà, mais voilà, quand on te donne à, des personnes qui ne te connaissent pas, ils vont te peindre en noir. C'est tout. J'ai fait sept ans de service au service de cardiologie de l'hôpital Ignachidine. Sept ans. Je suis là-bas, comme médecin interne. C'est là-bas que je travaille sur ma thèse de mémoire. Demandez les, les professeurs qui sont là-bas, qui m'ont encadré. Là-bas, ce n'est pas la force, ce n'est pas la pagaille. C'est la vraie discipline. Parce que tu ne peux pas gérer le service. Le matin, tu as le rapport à faire devant le staff devant les étudiants et que tu montres la force. Non, c'est le raisonnement scientifique. J'ai été encadré là-bas. Qu'il fasse attention. Donc, euh, la structure du commandement a été donnée comme ça. Euh, je, parlais au niveau des rapports de force qui se trouvaient à la présidence, les différentes, pour que vous ayez une, un aperçu, général, une aperçu sur la présence. Parce les gens parlent comme ça, les gens parlent une aperçu général sur la présence. Il y avait, à part des gardes de comté, les commandos chinois, les rangers, il y avait toute unité encore qui avaient, qui trouvé refuge à la présidence. Vous allez comprendre pourquoi l'idée est qui a poussé, par exemple, l'idée qui a animé à procéder à un recrutement. Parce que cette hétérosité à la présence, hein, le pouvoir n'était pas encore acquis par Dadis. Il sait. Sauf qu'il ne m'a pas associé à la stratégie. C'est ça le problème. Hmm. Hmm. Donc, le commandant maintenant, j'ai parlé, le régiment, j'ai défini, c'est que c'est qu'un régiment. Une compagnie, 200 hommes, disons 1000 hommes, un bataillon, à partir de, au-delà de ça, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10 000, ça fait des régiments. On peut organiser comme ça un régiment, donc régiment. Le régiment peut aller au-delà de la présence sur toute l'étendue du, territoire national. C'est-à-dire, on va parler régiment, commando, tous ces les militaires qui sont dotés de coiffures rouges, de bérets rouges. Le décret normal, le commandant du régiment, c'est le colonel Aïdor, qui a été nommé par décret comme commandant du régiment. Et lui, il était l'adjoint de Konaté à l'époque des faits, à Bata. Et le commandant adjoint du régiment, c'était le colonel Sa Alphonse Touré. Le commandant d'opération à la présidence, c'est Macambo, capitaine Makambo. Toutes les opérations, c'est lui. Donc, le premier trimestre, s'il faut, tout allait bien. Le premier trimestre, il est passé à trop de pagailles, mais voilà, on gérait tout, allait bien entre Maïdadis tout, tout. Mais après ça, lui et le général qu'on eh, on était dans son bureau, ils ont crié sur moi, ils m'ont instruit d'arrêter le commandant du régiment et son adjoint. Voilà. Et l'actuel inspecteur des forces armées, Ablai Kieta, de les arrêter. Je suis sorti, je les ai arrêtés. Donc, il n'y avait plus de commandant du régiment. On s'est retrouvé, moi, Dadis, nous trois, dans le bureau du président. On s'est retrouvés. Moi, je vais avec les données techniques. C'est pas. Maintenant, la question s'est posée qui doit commander le régiment Ils m'ont dit Ah, bon, voilà, Toumba, tu sais, tu es lieutenant, donc le lieutenant ne peut pas. Donc, Dadis prend le la parole. Il dit À partir de l'instant il est le commandant du régiment, devant, le général Konaté. Il dit, Konaté, tiens mon adjoint. Ça s'est passé comme ça. Moi, je ne suis pas suivi Non. Non, non, non. Pendant ce temps, après ça, ça allait bien. Dès que, dès lors que lui-même il s'est désigné commandant du régiment, ce qui, ce qui s'est passé, d'où est venue la pagaille Je voudrais que vraiment, là-bas, à ce niveau, que chacun vraiment analyse très bien sa manière. Le protocole de sortie à la présidence. D'habitude, moi, Dadis m'appelle. Il me dit, Toumba, voilà, on doit partir, j'ai le programme, préparons la sortie. Moi, je suis aide de camp, c'est sa protection physique sa sécurité physique et sa protection physique et le salon qui relève de mon commandement. C'est ça l'aide de camp. Et ce salon-là aussi, je le sollicite à partir du commandant du régiment pour me fournir ces éléments. Au début, lorsqu'on n'avait pas compris le fonctionnement, le commandant euh, euh, euh, du régiment Edo et son adjoint m'ont trimballé devant l'état-major adjoint les maths pour venir discuter, c'est-à-dire de l'organisation. C'est là-bas ils m'ont fait comprendre tout, tout, tout. J'ai dit d'accord. Donc, moi j'ai le contrôle du salon. C'est-à-dire il y a un commandant de salon. C'est tout. Lui, il s'occupe du planning. Maintenant, et la protection physique du président, ça me préoccupe, moi. Et pour la protection dans le salon, le commandant du salon viendra. Il dira combien d'hommes il avait pour, à cet effet, peut-être pas, en tout cas pas plus d'une section. Section, peut-être on va prendre 32 hommes. Pas plus, plus de ça. Mais par exemple, bon, Marcel ne peut pas, par exemple, dire qu'il relevait du salon. Non. Marcel ne peut pas non plus dire qu'il était garde-corps. Il n'a pas encore un acte officiel. Mais en amont, vous comprendrez qu'il avait un pouvoir. Il pouvait avoir un pouvoir. Marcel agissait par conviction. C'est un jeu que j'ai aimé, tout le monde connaît. Mais sauf que, voilà, ah, le pouvoir l'a un peu changé. Parce que Marcel, eh, même un ministre assis avec Dadis, même un ministre en face de Dadis, Marcel peut venir crier sur le ministre. Ah oui Il avait sa troupe, ça c'est spécial. Il n'était pas d'accord. Nous sommes tous dans la même enceinte, mais il n'est pas fréquenté Dadis, d'accord. Je suis d'accord, tout ça. Hein, c'est par nécessité. Il joue son rôle, ça veut dire lui, il a son propre calcul, il sait le pouvoir, il, a, ça dit, il protège le pouvoir à sa manière. D'ailleurs, ce qu'on est. Parce qu'on vient de loin. Donc, moi, c'est moi qui ai, pour dire que j'aime euh, Marcel, c'est moi qui ai gradé Marcel sous-lieutenant. Parce que, au moment où on cherchait le pouvoir, il avait bénéficié d'une bourse pour aller en Union soviétique. Et comme il était utile pour nous, il est important pour moi et, le président Dadis, moi et le président Dadis, on s'est assis, on a analysé la situation, on dit Marcel, renonce à la bourse là. Tu ne peux pas nous quitter à l'air là. Ce n'est pas possible, le moment est proche. Si tu vas, on est foutu. Ses amis, jusqu'au jour du départ de ses amis à l'aéroport, Marcel est avec nous. On le dissuadait et il n'est pas parti. Et voilà qu'on prend le pouvoir. Il était caporal. Mais moi, sachant ça, ses amis ont grade lieutenant en plein rassemblement, sans demander l'avis du président. J'ai appelé les gens, j'ai envoyé ma grade lieutenant. J'ai dit, mettez ici. Ils ont mis. J'ai dit, allez. Grand co, grand co, Pivi. Quand j'ai dit grand co, c'est grand plan Pivi. Quand il a rencontré Marcel avec Grade là, il dit, il dit enlève, enlève, enlève, enlève, Marcel a enlevé, il est parti s'asseoir chez nous en train de pleurer. Quelqu'un est venu me dire que Marcel est assis chez lui, en train de pleurer. J'ai pris mon véhicule, je suis parti le chercher. J'ai dit, quand j'ai dit, ah, je t'ai dit, le PV dit d'enlever. J'ai dit, porte. Il a porté. J'ai dit, prends ton véhicule, il a pris. J'ai dit, allons. On est venu on est rentré sur le président. On est parti dans la chambre, le président était là-bas. Je me suis, je n'ai pas posé le sujet. On dit, ah, on est venu juste pour voir, voilà, si tout va bien, ouais. Après ça, j'ai dit, bon, nous, on part. Après deux pas, j'ai dit, ah, excellent. J'ai dit, dis à l'EPV de faire attention. Il dit quoi, Boutumba J'ai dit, j'ai dit à Marcel de porter le lieutenant, il dit d'enlever. Le président dit, oh, ils sont qui Ils sont qui j'ai dit d'accord. On est sorti. J'ai dit alors c'est la défense Sekouba. On est parti, c'est Sekouba. Et là aussi, ça a été confirmé. Il, a porté le lieutenant. Ça, c'est très important. la gestion du, du, euh, euh, du régiment, le général Sekouba Konaté, il n'est pas ici, il n'a rien à voir dans ça, monsieur le président honorable assesseur le groupe du général Sekouba Konaté avec lequel on a pris le pouvoir à Bata, Bata, lui, il était toujours avec le groupe là. tout le monde connaît, il a pris des maisons pour eux là. Ils ont attaqué, frappé à cause de Bonnet la Rouge. C'est le président Dadis qui est sorti ce joué en culotte. Je n'étais pas là-bas. Il est venu calmer la situation. Le soir, on s'est rencontré, J'ai dit, hum, j'ai dit les rumeurs que moi je, hein, euh, j'apprenne ici, c'est pas bon parce que le comportement de ce c'est pas bien. Et non seulement il a raison, il a arrêté certains, mais sauf que lorsqu'il dit les éléments de Toumba, non. moi, je n'ai pas d'éléments dans l'armée, ça a une fonction bien définie là. Le pouvoir est pris, il y a le président, tout, il y a la structure hein, qui est mise en place. Donc, il enfermait les gens, les militaires, ça murmurait. Le béret rouge, les gendarmes, ça ne peut pas marcher. Il est à l'enceinte de la présidence. Les autres voient leurs camarades enfermés là-bas. Et les gendarmes portent béret rouge. J'ai dit au président, j'ai dit non, il faut que Tegoro bouge ici. Il faut qu'il quitte. J'ai dit, il faut qu'il sorte de, la présidence. S'il doit jouer son rôle, il n'a qu'à sortir. Bon, là aussi, il est venu me voir. à ah, Toumba, si tu fais ça, c'est une honte. J'ai dit, si tu veux, il faut disparaître ici. Mais il faut quitter. Donc, il s'est un peu déplacé, sorti de la cour à la rentrée. Tout le monde connaît Alpha, La, deuxième rentrée vers Imbaya là-bas. Dès que tu rentres, l'étage qui est là, il est parti là. Même si tu hèles quelqu'un à côté, à la prière, il peut entendre. Donc il est parti là-bas. Ça aussi, il n'est pas content de moi. Mais sauf que qu'est-ce qui a gâté le pouvoir là Teguro a réussi et le président Dadis s'est laissé encore faire, parce que c'est comme ça je vais dire. Teguro s'est infiltré jusqu'à maintenant, il s'est collé à Dadis et il a intoxiqué les Macambo, comme, parce que le président Dadis maintenant est commandant du régiment. Il les a intoxiqués comme quoi, et ils peuvent devenir commandants du, euh, euh, euh, de la garde présidentielle. Et Marcel, voilà, être camps tout, tout, tout, tout. Et maintenant, le protocole de sortie a changé. Je le dis, le président est ici. C'est pour cela que je sais que les avocats m'attendent pour dire pourquoi tu sors, tu laisses le président derrière. Je vais vous expliquer, je ne mens pas sur quelqu'un. Non. Le protocole de sortie a changé. Moi, je reste, on ne me consulte plus. Je suis écarté. Moi aussi, je suis sur moi. J'apprends seulement ah, le président est sorti. Il est à Bambeto, avec la jeunesse de Bambeto. J'ai dit, ah, comment ils sont partis Ah, Tegbro est monté à ta place, Makambo a coordonné, ils sont partis. Je prends mon véhicule de commandement, je viens le rejoindre sur la place, je m'arrête, je m'annonce, ce jour encore, Tegoro est arrêté à ma place. Avec je m'arrête, je m'annonce, je le regarde. Après, il quitte, je viens, je prends ma place. Je n'ai rien dit. Le jour, le président Ablaï Wade est venu au palais. J'ai appris que le président déjà est au palais. J'ai pris encore mon véhicule, puisque officiellement, en attendant, j'assure, tant que ça va, c'est bon. Mais si ça ne va pas, les gens vont me reprocher. Moi, je sais. Je viens encore, je le cherche, je viens, je m'annonce, celui qui est assis à ma place quitte, je m'assois. Le jour où le colonel Tchegoro a organisé par sa communauté une lecture du Saint-Coran au bataillon, là aussi, j'apprends qu'ils sont partis. Néanmoins, je viens, je prends mon véhicule, je les rejoins. Celui qui était à ma place, il a quitté. J'ai appris qu'il est parti à Imbaya. Je sors, je le cherche, je ne l'ai pas vu. Ce qui m'a fait peur, le président est ici. Trop, c'était trop. Le président me dit, Tumba, on va sortir. J'ai dit d'accord. Vers 18h, accompagne-moi à Debrika. C'est mon intendant particulier, Gono. Gono doit venir ici. Sangare, capitaine Gono. C'est pas bien. Moi, je ne connais pas ce juif c'est Debrika. Je le dis ici, parce que moi je ne me reproche de rien. Moi la faute, ce n'est pas de mon côté. envers le président, il connaît. Non, non, non. Parce que je suis avec lui, même ma garde, la, clé de ma porte, mon bureau, ma maison se trouve avec un de ses frères, C.C. Haba. Je savais que C.C. m'inquiétait, mais moi, pour montrer ma loyauté, je lui ai donné tout ça mes téléphones sont avec CC Mais je sais, c'est quelqu'un qui est sincère. Certainement, il l'a toujours dit au président que Toumba est honnête. Et le président Dadis n'a pas besoin même de me faire espionner parce qu'on vient de loin. Donc, les gardes de mon salon sont assurés par Jeannot Destin. C'est un de l'air. Lui, ils l'ont tué. C'est-à-dire, je ne t'aide à rien, dans la sincérité totale. Maintenant, on sort, on va à segono Sangare. On arrive vers 18 h On rentre chez Gono Sangaré. Je vois des gens, le président ne va pas me dire le contraire. Je vois des gens, des centaines d'hommes habillés en coriflèche à machette. J'étais surpris. J'ai dit, hé, eh, il y a des gens comme ça, c'est Gono. Néanmoins, je me ressaisis, je m'assois. Je, prends place. Qu'est-ce que le président fait 18h30, 40, 50. Lui et les gens là, ils sortent par une porte. Je ne sais pas où ils sont partis. Et eh, je reste là-bas, entre-temps, je me, souviens. attends, il faut voir où est le président. Je cherche, je ne le vois pas. Je cherche la cour, je ne vois pas. Je sors, je ne vois pas. Je cherche partout, je ne le vois pas. Et je me retourne, je viens encore m'asseoir. Depuis qu'ils sont partis, ils ne sont revenus qu'à 5 heures du matin. Oui Dès qu'ils sont venus, j'ai dit au président, j'ai dit non, ce que vous me faites, non, ce que vous me faites, je ne suis pas content. C'est-à-dire, je le dis, on est tous des frères, moi. Il ne faut pas que les gens pensent que Tumba, Tumba, non. Vous comprendrez encore Kundara. J'ai dit, je ne suis pas content. Ils ont envoyé le tour pour qu'on déjeune. J'ai dit, moi, je ne déjeune pas. J'ai dit, ce que vous m'avez fait, je ne suis pas content. Vous, disparaissez avec des inconnus. En cas de cas, où elle la confiance comme ça Donc, toujours, il y avait le fossé. Le protocole de sortie, Théboro vient seulement, Magambo organise, allez, ils sont partis. Toumba n'est plus contrôlé et n'est plus considéré. J'ai dit, d'accord. Général Konate aussi, lui aussi, il a part. Il n'est pas associé rien à tout ça là en toute sincérité. Même Marcel, je l'ai dit, même à la maison centrale tout récemment, demandez c'est ce qui presse à la mosquée là-bas. Depuis qu'il est là, c'est lui qui presse. Je l'ai appelé. J'ai dit, Marcel, viens. C.C. viens. Ils sont venus, on s'est assis à trois. J'ai dit, vous savez, à quoi Non. J'ai dit, on vient de loin j'ai dit, rappelez-vous, on a géré ensemble. Mais vous êtes en train toujours de continuer à pécher. Vous ne réfléchissez pas, vous avez tout fait. Vous ne comprenez pas, mais voici, vous êtes en train de pécher. Ces jours, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il dit, c'est vrai. J'ai dit alors, ça c'est un problème national. Assumez. Dis la vérité aux gens. Il dit, c'est ce peut témoigner. Marcel dit, il dit ce que vous dites, c'est vrai, mais il dit, mon commandant, ça là, je ne peux pas. Il dit, il a ajouté, même si c'est un sar de combat qu'on envoie, je ne serai pas surpris. C'est pas même confrontation. Moi, je donne la vraie version des faits. Parce que vous, vous ne le connaissez pas. voilà. Quand il dit, voilà, vous ne le connaissez pas. Il dit, même si c'est un sar de combat, il ne va pas reconnaître. J'ai dit à Cessé, Cessé, devant lui, j'ai dit, cesse euh, de le, recevoir, à l'église maintenant. J'ai dit, il n'a pas la foi. César lui-même le dit, on a pressé, pressé, on s'est repenti. C'est la fin, ça, ça, ça va finir. Il dit, non, non, non, non, non. J'ai dit, bon, moi, vous allez me pardonner pour que je parle, parle la vérité, je dise la vérité. Donc, euh, le colonel Tchegro, moi je parle, l'armée peut-être, ceux qui euh, ont vécu, qui étaient à l'époque des faits, à la présence, savent ce que j'ai dit, que c'est vrai. Le colonel Tchegro, tous ces hommes sont coiffés en béret rouge. Tous, il n'a qu'à arrêter béret noir, béret blanc, c'est pas clair, c'est des contre-vérités. C'est pas vrai. Donc tout ce qu'il dit, par exemple, il n'est pas d'accord avec Toumba, tout, tout, tout, tout, comme ça que tout le monde. Même à Nouveau-Tel, on est arrivé là-bas à l'imprévu. Rien n'a été prévu comme sécurité là-bas. Le président prend l'initiative qu'il y a des, des, des, des hommes d'affaires qu'il devait rencontrer là-bas. Oh, allons-y là-bas. Alors, on va là-bas à l'imprévu, c'est un hôtel des embuscades sont possibles. On est en train de monter. Tiboro quitte par là, il vient rentrer entre moi et Dadis. Je n'ai même pas dit, je l'ai ramassé, je l'ai ramassé, je l'ai pris. Il a crié, Excellence, il est en haut ici. Parce que c'est pas. Moi, je. Ah, je les, Dadis même se, tourne, il dit Tumba ya quoi Dadis dit Tumba ya quoi j'ai dit, je n'ai pas répondu d'Adis, je l'ai jeté. J'ai dit, allons-y. On est monté là où on prend l'ascenseur. Le président d'Adis m'a pris, on est parti dans le coin. Il me dit, bon, Tumba, tu sais, Tegoro parle bien de toi. J'ai dit, eh c'est Tegoro qui parle aujourd'hui bien de moi. Eh, mais lui, il est qui Moi qui dois parler bien de lui. Et eh, c'est d'où nous venons. Donc j'ai compris que ça ne va pas. Donc, je veux encore que euh, vraiment l'honorable, euh, comme euh, votre honneur, Monsieur le Président, honorable assesseur, ça dit que vous prenez accès par rapport à, à, la question du protocole de sortie à la présence n'était pas respecté. Plusieurs fois, ça c'est clair. Tout le monde le sait quand je parle encore. Donc, et encore, le colonel Chebrou, ses hommes sont coiffés de berets rouges. C'est connu de tous les militaires, non. moi, je ne connais pas le mensonge. Excusez-moi, les contre-vérités. Donc, je vais attaquer l'autre point par rapport au recrutement. Je vous ai fait savoir que ça, j'ai trouvé des hommes en flèche et en armes blanches. Le président peut confirmer, je sais, c'est un homme de foi, il peut le dire. Armé en flèche et en machette, des centaines de Gono Sangare. On va parler maintenant du recrutement parce que quand quand tout va bien, c'est-à-dire, on ne parle pas, c'est-à-dire, euh, au moment où on est, oh, comment dire ça, euh, comment formuler ça, c'est-à-dire, euh, quand tout était bien là, lorsque tout était rose, c'est-à-dire, on ne, on, ne, passait pas par la voie normale, c'est-à-dire, voilà, on faisait, on empruntait le raccourci. Maintenant, c'est lorsque c'est gâté, on commence à maintenant sortir les structures normales pour dire qu'il y a défense, il y a état-major. Non. Même Marcel, même, état-major n'ose pas parler devant lui. Ah, ça avant tout. Donc le recrutement n'a pas, je ne dis pas moi à ma connaissance, le recrutement n'a pas suivi c'est-à-dire les critères hein, normaux de recrutement. Parce que moi, je me souviens au temps de compter, lorsqu'il y a recrutement, c'est des quotas qui sont répartis à travers les quatre régions naturelles. Pour dire, la Basse-Guinée, 100 personnes, toutes, toutes, euh, toutes, les, euh, euh, toutes les préfectures relevantes de la Basse-Guinée, hein, première région militaire, tous les cas relevant de la, jusqu'à Kundara, le quota est réparti 100 personnes. On dit Haute-Guinée 100 personnes, Guinée forestière 100 personnes, Moyenne Guinée 100 personnes. Donc c'était un équilibre total. Mais cette fois-ci, il était question, moi je ne disais pas parce que je n'étais pas consulté maintenant, de recruter et de, c'est-à-dire euh, muter le régiment en place, les faire remplacer par les autres, occuper, voilà, comme Napoléon le dit, faire commander par ses propres hommes. Donc le recrutement est parti comme ça. L'effectif exact, je ne connais pas. Mais tout le monde a entendu le ministre de la Défense que c'est 9000 hommes. Donc, ce qui est une euh, disproportion par rapport à, l'échelle nationale. Parce que si une seule... Euh, voilà, je ne vais pas parler de... Moi, je n'emploie pas de, communauté pour ne pas blesser toute une communauté. Moi, je vais seulement dire les proches de Dadis, c'est tout, comme ça. Parce qu'il y a des autres qui n'ont rien à voir avec Dadis, malgré tout. Donc, il y a eu le recrutement. Même moi, j'ai eu un quota. Même les Marcel ont eu un quota. Même le général Konaté a eu un quota. C'est-à-dire chacun a eu un quota. Mais sauf que, après le recrutement, là, il y a eu une sélection sélective. Tous ceux qui ne parlent pas le patois, tu n'es pas la bienvenue à Caléa c'est qu'il y a l'école d'instruction de la marine nationale, après Koya, là où on appelle 66. Ça, c'est le compte de la marine nationale. Donc tous ceux qui ne sont pas de l'autre côté sont là-bas. Mais spécificité, spécificité, ça c'est Kalea, c'est fini. Là-bas, Kalea. Ça c'est clair. Maintenant, ceux du 66 ont été délocalisés vers le centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan. C'est ceux-là, après leur formation, beaucoup se sont retrouvés en eau et forestiers de Kankan et, euh, dispersés, affectés dans les différentes euh, euh, unités. C'est de Kishidougou, c'est à l'arrivée du général Konaté, par indiscipline, il les a radiés. Si vous suivez les radios, ils continuent toujours à réclamer, même au temps Alpha Condé, leur matriculation. C'est les gens de Kissidougou, ça. Donc, de l'autre côté, c'est là-bas. Moi, je ne suis plus, c'est-à-dire Tumba est écarté du commandement. Je connais. Moi, je suis là-bas parce que ça fait mal. Je suis là-bas. Maintenant, un soir, il y a un groupe qui a débarqué, les Macambo, c'est qui coordonnent ceci, les coordinateurs de ça. Le chef d'opération, d'abord l'argentier, l'intendant particulier Gono Sangare, Macambo, euh, Bienvenue Lama, c'est lui qui était de l'autre côté là-bas. Voilà, et Dadis Kamara, le président Dadis. Parce que l'ordre partait de lui. Il est le commandant du régiment, je vous ai déjà expliqué ça. C'est-à-dire qu'on enlève ambiguïté hein, par rapport à la question de qui est commandant du régiment. Non. faut pas que, c'est ce que j'ai dit, euh, euh, euh, le, colonel Tchegoro, ils sont à la présence, ils ne connaissent pas la structure de la présidence. Par manque de volonté, Toumba est commandant de la garde présidentielle. Il y a quelle garde présidentielle Ce n'était pas structuré comme ça. Toumba était aide de camp, mais même le salon est absorbé. C'est-à-dire que depuis le président a dit qu'il est commandant du régiment, le salon est euh, absorbé par ses proches. Parce que le commandant du salon, lui, il était avec nous à l'arrivée du pouvoir. C'est pour cela qu'on l'a donné là-bas. Begré, on l'a donné là-bas parce qu'il a lutté aussi. Mais c'est un cruel. Begré. C'est un cruel. Même moi, il ne m'écoutait plus. Parce que je l'ai fait l'observation une fois, je pensais qu'il pouvait se rappeler que c'est nous qui étions venus ensemble. Mais quand il vient à la présence, il ne passe pas chez moi, il laisse directement. Après, là-bas, il, il replie. J'ai fait l'observation, j'ai dit, mais à quoi Begré est en train de jouer pourquoi il n'arrive pas chez moi Malgré que on, a, on, a, on a manœuvré ensemble. Il dit aux gens que je veux l'enlever. Donc, Begré aussi, il pouvait manœuvrer sans attendre l'ordre de quelqu'un. Non, non, non. Marcel, on n'en parle pas. Marcel, toujours, en ce moment, chaque fois que j'ai un, petit cas, il vient passer pour voir Marcel, il faut l'audience. Il est au-dessus de moi. Voici, moi j'occupe le premier, il est, il est ici. C'est pas compliqué. Il, occupe le deuxième. Même bâtiment. Mais quand mon ami là vient, il, c'est qu'il, il le fait attendre. Après, quand il le reçoit, il dit, ah, toi et ton grand, vous serez honnis vous serez honni. C'est ce que lui, lui ne me dit pas. Marcel ne me dit pas. Mais lorsque le jeune revient, il me dit, ah, mon commandant, ce qu'il dit là, vraiment, ça fait longtemps qu'il est là-bas, je ne le vois même pas. Il me reçoit, il dit qu'on sera honni. J'ai dit d'accord. Un jour, on, rentrait euh, de, la, ville, moi et Dadis, dans un convoi, on est venu la, population nous accompagne jusqu'à l'intérieur, à, l'enceinte. Arrivé, le véhicule de prison a garé, mon véhicule le suivait. Marcel est sorti devant mon véhicule pour intimer mon chauffeur de garer là-bas. J'ai dit à mon chauffeur, marche sur lui. Mais heureusement, la population était venue l'envoyer sans se rendre compte, il le dégagé. À la rentrée de ce le président, il voulait me saluer, j'ai dit, me salue, je casse ton bras. On a fait près de deux semaines sans se parler. Je ne sais pas comment ils ont informé le président. Ils, m'ont appelé. Ces jours, il fallait voir encore ce qu'on racontait au président. Ils sont assis dans son bureau en train de dire, voilà, Toumba se rebelle. Il se rebelle, je le parle, il se rebelle maintenant, tu vois. Monsieur le président, tu l'appelles, il ne prend même pas. Il est dans quelque chose jusqu'à Marcel, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est Marcel lui-même qui est venu ce jour me réveiller. Il a trouvé, je dormais profondément encore. Il m'a réveillé. Quand je me suis réveillé, il dit, hé mon commandant, il dit, pardon, ne fais pas la toilette, allons-y. Quand, on est venu, les gens sont assis. D'ailleurs, même quand le président m'a vu, il dit, mais non, mais non, même à le voyait, il dormait. J'ai dit, ah, que j'ai dit, mais voilà, vous m'avez appelé vous-même. Si je vois l'appel, je vais prendre. Je ne vais pas refuser, je dormais parce que c'est le, voilà, c'est le moment pour, pour, voilà, bien vivre. Donc, après, j'ai évoqué euh, voilà, le mécontentement entre moi et Dadis. J'ai dit, non, oui, c'est vrai, il s'est mal comporté, bon, mais ça va. Mais ça n'allait pas. Macambo ne connaissant pas la structure de la présidence, il vient, je suis arrêté, Dadis est arrêté. Il dit, il n'a pas qu'à il dit, euh, Dadis ah, Atumba est, eh, eh, il est commandant de la garde présidentielle. Non, il n'a qu'à rester aide de camp, lui va devenir euh, commandant de la garde présidentielle. Je suis arrêté, Dadis est arrêté, il est arrêté. Dadis dit non. Parce que lui ne connaît pas. Pour eux, je suis commandant de la garde. Moi, c'est lorsque Dadis, euh, le président m'instruit pour quelque chose, mais je m'apprête. Mais lorsqu'on prenait le pouvoir, où était Makambo Il n'était même pas présent même. Il était à Mania. Et quand il est venu le, lendemain, le soir, il s'est mal comporté. Marcel même a voulu le tuer. C'est moi qui ai arrêté ça. Parce que je vous apprends, pour la quête du pouvoir, pour contrer la force du général Konaté, nous, on était démunis, on n'avait aucune force. C'est moi qui manœuvrais j'étais obligé de trouver les moyens de déplacement. Pour ça, je, suis descendu sur euh, le président Silla Patronat. Là où il est là, se trouve, il m'écoute. Moi, je suis direct. C'est moi, il connaît, c'est moi qui, suis qui était parti là-bas. Parce que pour moi, il y a trop de véhicules là-bas. Et quand je suis venu, c'était dans la discipline parce que j'ai désarmé ces hommes. On n'a rien touché, tout, tout, tout. J'ai dit, où est le président Silla Il faut qu'il sorte. Moi, j'ai besoin de véhicules. Il s'est caché, il a manœuvré ses relations, ils ont envoyé l'actuel euh, euh, euh, inspecteur général des forces armées, Aboulaye Keta, commandant Faré, lui il est descendu avec les 12-7, j'étais avec les CC, et là ils se sont pris avec les CC, ils les ont maîtrisés, ils sont venus me trouver assis dans la deuxième cour tranquille, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a Il dit non, on nous a dit les bandits sont venus ici, j'ai dit non, ce pas les bandits, j'ai dit bon, prends place. Donc là où était caché le président Silla, il a compris que vraiment c'est sérieux. Il dit, bon, appelez-les. Ils m'ont appelé, on est monté. Il dit, mais voilà, je suis monté avec blé qui était. Il dit, bon, maintenant il y a quoi J'ai dit, non, moi j'ai besoin de deux les quatre camions. Il dit, mais c'est pour lui. J'ai dit, non, c'est urgent. Il dit, mais il faut qu'il marche. J'ai dit, d'accord. Il a envoyé, j'ai signé. Au nom du CNDD, j'ai signé, il a ordonné de sortir, on a sorti. Ils ont pris un de ces véhicules pour ses enfants. Il m'a dit à la fenêtre, j'ai dit, retournez ça. Après, j'ai pris les autres, on est parti au camp. J'ai laissé les quatre camions avec un blé. J'ai pris les deux pick-up. J'ai donné la pick-up à Marcel. C'est la pick-up là que Makambo a retiré avec le chauffeur de Marcel. Marcel est sorti à chercher Makambo pour le tuer. Là où on l'a trouvé, si nul n'était moi, il allait le descendre. J'ai calmé ça. Donc, ne faut pas qu'on joue avec les gens. Donc le recrutement qui a été fait, c'est comme ça, ces de ces de kilomètres 66 ont été déployés à partir des euh, euh, choses, euh, comment dirais-je, et de Kankan. Maintenant, je disais ce soir-là, je parlais ceux qui coordonnaient les activités-là, j'ai cité ici l'intendant particulier Gono Sangaré, qui était pleinement... Il ne fallait pas jouer avec le pouvoir. Lui, c'est pas comme un, euh, qui a posé la question entre l'institution et la personne. Qui, lui, c'est la personne qui choisit. Tout ce dont je vais vous citer là, c'est la personne et, ils vont choisir. C'est-à-dire, on ne dérange pas la personne du président Dadis. C'est-à-dire, ils l'ont ils couvé comme poulet et son poussin. Toumba n'avait pris de rentrer. Ça, c'est clair. Ne sachant même pas où nous étions, d'où nous venions. venions. Donc, Makambo Gono Sangare, Théodore, c'est un gendarme. Théodore. Voilà. C'est eux qui coordonnaient ça. Euh, qui passaient ça fait longtemps. Voilà. Même Pivi, le grand corps même n'est pas impliqué dans l'affaire de Kalea. Même Marcel, l'affaire de Kalea est spécifique. Les personnes dont je vous cite là, c'est son thé. Et le président Dadis lui-même. Parce que, souvenez-vous, depuis au départ, je disais que moi, j'avais appris lors d'une mutinerie, Granco, Copla Pivi avait intimidé devant les gens Capitaine Dadis. Donc, il avait peur. Voilà, de, Pivi. Malgré, ils sont voilà, de l'autre côté. Mais c'est. Voilà, Pivi n'a qu'à réfléchir, il va comprendre ce que je dis. Mais lui, c'est la force seulement, il est poussé par la force, c'est tout. Donc, sinon, je n'ai pas vu impliquer trop dans choses dans là. Marcel non plus, je ne crois pas. Mais c'était spécifique, le président en connaît. C'est un jour, je rentre à la présidence, je vois un groupe débarquer déjà, logé déjà. Ils savent que moi, je suis hostile à la pagaille, à, l'insecte de la présidence. Je viens voir des, hein, des nouveaux visages j'ai dit, mais quels sont ces gens-là Les Macambo, les Gono hein, et autres me dit, non, c'est le président qui a dit de les envoyer. J'ai dit, ah bon Ok. Moi, je laisse. Un autre groupe, c'est Macambo. Moi, je ne suis pas consulté. Moi, je ne suis pas consulté. À la présence maintenant, ça veut dire voilà, il a commencé à s'enrichir. Euh, comment enraciné. Sans, sans, Voilà. Sans arraciner ou enraciner. Voilà. <laughs> Ah, donc, excellent, euh, euh, honorable. Donc, ils ont envoyé. Le président Dadis, ah, qui le, ça dit, il n'a qu'à se rappeler. Un jour, il a appelé à 2 heures du matin le commandant de kilomètre 36 de s'apprêter à recevoir un groupe. Je n'étais pas informé, il ne m'a pas informé, mais automatiquement le commandant m'a appelé pour me dire Ah, mon commandant, le président vient de m'appeler, je viens de le décrocher. Il me dit de m'apprêter, il y a un groupe qui doit venir là-bas. J'ai dit donc, il ne m'en a pas parlé, donc tu ne m'as tu, ne m'as pas non plus parlé. On est resté dans le jeu là. Un jour, le président et le colonel Tchegoro m'ont appelé dans sa chambre pour me dire il y a un bâtiment là-bas, il va falloir que. C'était occupé par le régiment, mais il va falloir que je, l'aide à vider parce qu'ils doivent prolonger voilà, voilà, son domicile là. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai entendu. Mais moi, je suis le jeu parce que moi aussi, je suis en défensive, je sais. Qu'on a en défensive. Donc, on est resté comme ça. Quelques jours encore, tous les proches de Dadis, ils passaient en équipage dans les véhicules neuf pick-up neuf blancs pick blanche. Tout le monde, Ils sont maintenant en équipage. cest je ne sais pas pourquoi on ne m'associe pas pour dire, voilà, tout ça. Je ne sais pas, mais il faut écarter normal. Je suis devenu étranger. J'ai dit d'accord. Marcel a l'équipage zéro Macambo a l'équipage 15. Fourmi, l'autre jour, Marcel a dit que Comment on peut parler de la Numba qui joue avec les instruments de musique, mais Fourmi relève de, de, la Numba quand même. L'équipage 25. Fourmi relève de là-bas. Voilà. Moi, je ne suis pas là à jouer avec les gens. L'histoire du pays, on ne peut pas la, euh, falsifier quand même. Ce n'est pas possible. Dans 90% de, de l'histoire de la Guinée, voilà, ont été falsifiés. Mais cette fois-ci, voilà, moi, ils n'ont qu'à bien réfléchir. Hein. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui m'a protégé. Hein. Et au moment, où, et au moment, quand le moment opportun est arrivé, il m'a fait revenir. Hein. Parce que Dieu dit Aman Khazalazi Hoa Jundun Lakum Yansurukum Minduni Rahman Innil Kafirina Ilafi Gururi. Il dit Montrez-moi une force dont vous disposez lorsque vous vous retrouvez dans une difficulté qui pourra vous sortir Si ce n'est pas sa miséricorde. Il dit seule sa miséricorde pourra te sortir dans ça. Donc c'est lui qui me sauve dans ma sincérité. Parce que je jure toujours ça. Je dis Dieu, c'est toi qui connais l'inconnaissable. Si ce que lui est en train de me faire, il a raison ou s'il n'a pas raison, protège-moi. Moi, c'est ça. Entre moi, quand je suis avec quelqu'un, c'est le péché que j'évite. Ça seulement, le péché. Non, non, non. Le Coran est dans ma tête. C'est pas ça, je l'interprète. Donc, le groupe là, ils ont réparti les groupes dirigés par le président Dadis. Si vous cherchez le commandant du régiment, ce que j'ai dit à toi, ou même il peut le dire, je, ne doute pas, il va le dire. il est ce nom. Il ne faut pas que Dieu te hisse jusqu'à un certain niveau de ton espérance, au sommet de ton espérance, et puis où tout le monde cherche, où tu as commandé, même ceux qui sont en train de nous juger, c'est lui qui les commandait. Dieu l'a donné le pays. Ouais. Moi, je, ne souhaite tous ceux qui l'ont conseillé, même si on devait conseiller le président Dadis, c'était de venir de dire c'est moi, le président d'Addis. Voilà, c'est moi qui vous commandais. Voilà, c'est moi le responsable, commandant en chef des forces armées guinéennes. Voilà. Président de la transition, président de la République, c'est moi. Donc ce qui s'est passé, c'est moi je demande pardon au peuple de Guinée. Et voilà. il nous fois encore pardon, et puis c'est ça. C'est ça un homme. Tu ne peux pas venir t'arrêter encore, discuter avec tes petits. Non. Non, c'est pas un garçon ça. Il va chercher quoi maintenant Il a peur de quoi C'est comme ça on le conseille. Cherche les raisons. Je vais donner un raisonnement scientifique à, tout, peut-être chacun de nous a dû peut-être euh, étudier ça. Mendeleev. Mendeleev, avec les éléments chimiques, dans l'étude électronique des éléments chimiques, puisque lorsqu'il prend un élément en entier, il ne peut pas le faire, il prélève une toute petite partie qu'il nomma atome. Et c'est cet atome qu'il soumet à l'étude électronique, mais il a constaté que l'atome est formé d'un noyau, d'un noyau central. Autour de ce noyau, des couches électroniques sur lesquelles gravitent les électrons. Et que la saturation de ces couches électroniques est obtenu à partir de la formule 2n carré, n étant le nombre de couches. Donc, n à première couche, n égale à 1, 1 au carré, 1, 1 fois 2, 2. Donc sa saturation, c'est 2 électrons. Mais Mendeleev nous a fait savoir que le noyau est formé de protons et de neutrons, donc de charges positives. Les élèves de 10e, 12e m'écoutent, ils savent que c'est ça. Le noyau est chargé positivement. Honorable, le jour où vous m'avez attaqué pour dire qu'est-ce que vous appelez noyau, mais j'ai dit c'était par rapport au pouvoir lors de euh, votre, passage. C'est ce que je voulais ce jour faire savoir, mais voilà. Donc, à l'échelle d'organisation sociale, à notre niveau, vous comprendrez que le CNDD était formé du président la République et deux vice-présidents. Cercle restreint. Plus proche du noyau. À quoi chercher à dire au président Dadis que ta charge était négative Par contre, tout le monde sait que les électrons qui tournent autour du noyau ont une charge négative. Les électrons sont chargés négativement, mais le noyau est positif. Positif dont le président a une connaissance totale et positive. J'ai dit à l'entente que euh, l'avocat de la partie civile, qui a comparé ici à un amphithéâtre, j'ai dit vraiment, pour les deux d'intelligence, le savent. Ici, je ne jouerai pas pour vous. Moi, je dirai la vérité à la satisfaction de la Cour à la satisfaction des victimes. Donc, euh, c'est comme ça, j'ai constaté les hommes de Kalea à la présidence, les hommes de Kalea, c'est Gono Sangare, les hommes de Kalea coordonnés par Gono Sangare, Makambo, euh, Théodore et Bienvenue Lama. Voilà. Sont coordonnés par ceci. Maintenant, leur armement, comment ils ont été armés Marcel a parlé d'armement ici, mais il n'a qu'à être cohérent quand même. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit, c'est une contre-vérité. Je vais expliquer. Il y a témoin encore pour ça. Moi, tout ce que j'ai dit, le témoin n'est même pas, vous pouvez l'appeler. Ces jours, j'étais chez moi, encore, dans ma chambre. Souvent, quand les grands événements arrivent, je suis, me trouve dans ma chambre. Sauf que le président Dadis, encore cette fois-ci, sans consultation, a envoyé ses proches au magasin d'armement pour aller se procurer avec un camion d'armes, euh, un camion. Moi, je ne savais pas du tout. Mais puisque le général Konaté est le ministre de la Défense, certainement, certainement c'est après j'ai compris ça. Le général Konaté envoie son aide de camp, le colonel Joe, tout récemment qui était le, commandant du camp de Kamayen là-bas, au temps d'Alpha là, colonel Joe, c'est lui qui commandait là-bas. Il dit, va voir Toumba, allez-y ensemble au magasin d'armement voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ce que j'ai dit, si c'est pas, même si c'est virgule, si le colonel Joe vient ici, ne me croyez pas du tout tout ce que je raconte là. Colonel Joe est venu me trouver dans la chambre. Il dit, mon commandant de la part du général, il dit qu'on a qu'à aller au magasin d'armement, voir ce qui se passe. J'ai dit, ah, moi je suis fatigué, il faut chercher la garnison, allez-y. Il est parti chercher la garnison, ils sont partis, aussi ne, ils ne savaient pas ce qui se passait, ils sont partis trouver le groupe là et le camion. Ils se sont disputés là-bas, je n'étais pas là-bas. Sauf que ils sont revenus cette fois-ci chez moi avec le camion et eux-mêmes, ils sont venus. Ils sont montés vers chez moi. Ils, criaient. Je sors, je dis qu'est-ce qui ne va pas Il dit non, le président nous envoie pour prendre les armes, les deux là vont nous déranger là-bas. Après, je m'approche de la fenêtre, je regarde, je vois le camion avec les armes. Je regarde colonel Joe. J'ai dit, tu as compris, c'est le président qui les a envoyés. Donc va voir le général, dis-lui comme ça. Voici comment ça, ça s'est passé. Colonel Joe est là, appelez-le. Il est là-bas. Donc, par rapport aux individualités, comme je le disais, Marcel, je l'ai aimé, je l'ai approché, parce que moi, je suis sincère, moi, je ne connais pas, ça veut dire autre considération. Mais sauf qu'il n'avait pas de fonction. Marcel ne peut pas, mais vous l'avez demandé ici. Il dit effectivement, il l'a attaqué parce qu'il fuit toujours il dit que, ouais, après, il peut donner lui aussi le commandement à la présidence, Macambo peut donner le commandement. Il dit d'autres, etc. Mais par contre, il n'était pas comme un garde-corps là-bas, il ne rêvait pas du salon. Parce que <laughs> même le commandant du salon ne l'ose pas. Lui, il va venir parce qu'il a un témoignage à faire, le commandant du salon. Parce que le 28 septembre, ce qui s'est passé, son témoignage est capital. Il s'appelle Mohamed Kondé, capitaine Mohamed Kondé. Actuellement, il, relève du, euh, du, bataillon spécial de Kundara, la région de Koundara, vers là-bas, vers Gawal et autres. Il est vers là-bas. Mohamed Kondé, c'est lui qui était le commandant du salon. Donc, mais Marcel avait un pouvoir. Alors, je vais maintenant venir sur le sujet principal. Parce que c'est ce qui intéresse le plus, surtout la partie civile. Mais je les détails aussi vous concernent. Monsieur Yakité, voilà, arrivé à cette phase, il y a déjà une convention. D'accord, excellent. Hein, euh, entre le tribunal et toutes les autres parties. Merci. Donc on va devoir euh, arrêter pour aujourd'hui. D'accord. Hmm? Merci beaucoup. Pour reprendre le lundi prochain. D'accord. S'il vous plaît, l'audience n'est pas levée d'abord. Attendez. Hein. sur le goût. Hein? Non, ah. non, non. Non, Non, C'est bien non, non, non. S'il vous plaît. Alors, l'audience est renvoyée pour euh, le 24 octobre 2022. L'audience est levée. Ah, merci beaucoup. What?